Le Premier ministre nigérien Brigitte Rafini a reçu le dimanche 17 juillet à Niamey les responsables de la coordination des mouvements de la Zawad et de la plateforme des mouvements du 14 juin 2014. Objectif trouver un mécanisme consensuel de gestion locale en attendant la mise en place des autorités intérimaires et des patrouilles mixtes prévues par l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issus du processus d'Alger afin de désamorcer la crise qui prévaut à Kidel au Mali. Écoutons le Premier ministre Brigitte Raffini. Nous est revenu qu'il y a quelques grains de sable qui sont euh, intervenus dans les relations entre euh, certaines composantes des mouvements qui sont chargés normalement de l'application de ces accords. Nous nous sommes dit que, en tant que frères, que nous puissions vous apporter tous les conseils, toute l'aide nécessaire pour que vous puissiez surmonter tous les obstacles qui se dressent devant le processus de la paix qui a été engagé si laborieusement. Chacun doit contribuer désormais à concrétiser sur le terrain cette paix qui nous a manqué dans cette partie du Mali depuis longtemps. Un accord dénommé Déclaration du Niamey a été signé par le DECA. Parmi les réactions, écoutez celle du professeur Jibo Mamoudou, enseignant-chercheur à l'université de Niamey. Il salue l'initiative parce que les deux protagonistes semblent avoir décidé de faire la paix, mais pour lui, cela ne suffit pas. Cet accord semble aussi créer une situation de fait, parce que tout simplement, Kidal est au Mali, que des groupes armés s'entendent pour gérer Kidal en dehors euh, de l'État malien pose un problème. Et si ce protocole d'accord peut s'inscrire dans un cadre global de règlement de la question au Mali pour que le Mali retrouve son unité, ce serait une bonne chose. L'idéal aurait été que l'État malien reprenne le contrôle de toute la zone, de tout le pays, que le Niger et les autres pays forcent l'État malien à considérer les autres populations comme étant des populations maliennes à 100% avec tous les droits Quelques jours après la signature de la déclaration de Niamey, les combats ont repris à Kidel, opposant des membres du groupe d'autodéfense Touareg IGAT et Ali Gatia, l'une des composantes de la plateforme du 14 juin 2014, à des membres du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, l'une des principales composantes de la coordination des mouvements de l'Azawad-SEMA. Autre fait de la semaine, le mercredi 20 juillet 2016, aux environs de 10 heures, une patrouille mixte des forces de défense et de sécurité de la région de Tilaberi est tombée dans une embuscade tendue par une trentaine de bandits armés sur 10 motos à 4 km de Bougadei, non loin de Banibangou, département de Walam, région de Tilaberi. Au cours des échanges de tirs, un gendarme de première classe a trouvé la mort et trois autres de ses collègues ont été blessés. Jeudi 21 juillet dernier, la présidente de Liberia, Helen Johnson Sirleaf était en visite de travail et d'amitié dans notre pays. La première femme élue au suffrage universel à la tête d'un État africain et actuellement présidente en exercice de la conférence des chefs d'État de la CDAO. Économiste de formation elle est co-récipiendaire du prix Nobel de la paix en 2011. Autre personnalité en visite dans notre pays, l'épouse du vice-président des États-Unis d'Amérique, Dr. Jules Biden. Elle a rencontré les membres du gouvernement, les femmes politiciennes, économistes et sociales du Niger. Elle s'est rendue au centre de santé intégré de Bukoki. Cette visite de trois jours au Niger rentre dans le cadre de la tournée qu'elle a entreprise pour aider les femmes africaines à devenir de voix du changement positif. Sur le front social, le syndicat national de médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes du Niger, le saint avait déposé un préavis de grève de 48 heures à partir de lundi. Ce préavis de grève a été déclaré illégal le jeudi par la justice. Un autre bras de fer, c'est celui qui oppose les commerçants, les transitaires et les travailleurs des magasins sous douane au groupe Bolloré Logistique Africa. À cet effet, les commerçants et les transitaires avaient prévu d'organiser hier une marche pour protester contre le groupe Bolloré et celle-ci a été interdite le vendredi soir par le maire central à San Sedou. Raison avancée, le non-respect du délai légal de dépôt de la déclaration de marche.